la sécurité, c'est tout pour le transport aérien et pour l'aviation civile en général. Euh, vous savez, euh, avant qu'on ne parle même de la sécurité, on parle de, toutes les dispositions qui sont prises en amont, qui, se résument en termes de sûreté. C'est-à-dire c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour rendre les choses sûres avant qu'on ne parle de sécurité, parce que pour la sécurité, généralement, on parle de la sécurité de la navigation aérienne. C'est ce qui est fait après le décollage et pour rendre un vol sûr au plan technique et au plan de la navigation aérienne. Euh, la sûreté, c'est un ensemble de dispositions, comme je disais tantôt, euh, donc pour rendre un vol sûr. Euh, il y a tout un personnel autour, des gens visibles comme invisibles, qui mettent en œuvre ces dispositions-là. Et nous sommes aujourd'hui réunis ici, euh, représenter le ministre à cette cérémonie aussi, pour magnifier ces personnes-là, pour leur rendre hommage parce qu'ils euh, sont en train de travailler dur pour préserver la vie des personnes et de leurs biens. Euh, c'est en cela que se résume euh, cette journée. Il ne faudrait pas qu'on concentre la journée sur les directeurs les décideurs qui sont derrière les bureaux et qui font un travail énorme. Mais il faudrait aussi qu'on magnifie le travail exécuté par les gens de l'ombre qui font qui rendent les avions beaucoup plus sûrs et beaucoup plus efficaces. Parce que si un aéroport n'est pas sûr, si les dispositions prises ne sont pas sûres, un aéroport n'est pas fiable. Après, la thématique est très importante, c'est ce que je disais tantôt. Euh, un aéroport n'est pas un aéroport s'il n'est pas sûr. Parce que s'il n'est pas sûr, il n'est pas fréquenté. Et s'il n'est pas fréquenté, il n'est pas efficace, il n'est pas rentable. Notre aéroport est très sûr, euh, j'en veux pour preuve les certifications nombreuses qu'il a, a reçues. Euh, de par l'ACI et de par l'ensemble des organismes qui supervisent la sécurité et la sécurité de la navigation. Euh, c'est le Safety Week euh, cette année. c'est ce qu'on organise depuis l'ouverture de l'aéroport pour attirer l'attention de tous les acteurs de l'aéroport, de tous les travailleurs, sur l'aspect principal de nos activités, c'est la sécurité. Donc sécurité pour qui Sécurité pour tout le monde, pour tous les utilisateurs de l'aéroport et pour le confort de nos passagers et pour donner une euh, image euh, à tous les euh, acteurs internationaux que notre aéroport aussi fonctionne dans les normes internationales comme c'est demandé par les autorités. Quand on voyage par l'aéroport, on ne se rend pas compte combien de personnes nous servent. En général, euh, du euh, de, départ à l'arrivée, euh, il y a à peu près une centaine de personnes qui servent à un passager. donc, une grande partie de ces gens-là, ils sont des gens de l'ombre, comme les techniciens, comme les manutentionnaires, comme les agents. Ils, font la partie la plus importante de nos activités. C'est pour ça que c'était choisi comme le temps pour attirer l'attention sur le personnel qui travaillent dans les ombres, mais qui rendent le service, à, euh, un grand service à tous les passagers qui utilisent notre aéroport. ren euh, semaine de la sécurité thème bi nekk thème am solo ñu sargal ñi nga xamanteni ni ño nek euh, di liggéey ci ñi wax les travailleurs dans l'ombre mu nek aéroport nek lo xamanteni lu am solo la bo fi ñëwé da ngay am impression que ne lepp ñu ngi jaar yoon waye lolu yëpp amna lo loo moko waral liko waral moy amna ño xamanteni xamante peut-être. duñ leen gis te ñoom ñoo waral liggéey boobu noonu tey mu nekk occasion boo xamante ni ñu profité ci pour wax dëgg yàlla delloo leen njukkal non seulement mais tamit motiver leen pour que liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy xaar ci aéroport bi yëpp parce que aéroport euh, domaine la boo xamante ni domaine international la ñëpp fii daje mais fu amul kaaraange wax dëgg yàlla day tax liggéey bi gën a sooxe te ñu bëri duñu am wóoluteeg ñëw ci suñu dëkk bi di Sénégal tey thème bi euh, jël ko. consacré ko ñoo non nga xamné ñoy liggéey ci suuf parce que aéroport bo ñëwee mu set c'est parce que dafa fekk né amna ño xamné ño ne ñoo nettoyé foofu noonu soo ñëwee tam ba ci bagage yeeg li ngay tax nga yéeg ba wacc ti fekkaat sa bagage fa mu war a loolu yëpp likoy indi moy ay nit yo xamante peut-être seen exercice liggéey do leen gis mais mo ñoo ñu nek ci ginnaw di def liggéey bu am solo ba taxna nit ñi mëna jot ci li nga xamante ni mooy seen service yi nga xamante ni moom xaar ci biir aéroport